Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver. Vous êtes bien sur Malikia TV. Merci de nous avoir suivis, actu, de nous avoir choisis. Actu Show, euh, c'est tout de suite. Je vous l'annonçais hier à la fin de l'émission avec Bachir Fofana, que je remercie infiniment. On a fait une très belle émission. Euh, les gens ont pu découvrir euh, Bachir sous d'autres facettes. Et c'est vraiment ça la marque de fabrique de cette émission-là. L'idée, ce n'est pas de descendre quelqu'un. L'idée, ce n'est pas d'offusquer l'invité parce qu'il perd de son temps, parce qu'il prend son carburant, parce qu'il vient nous donner un contenu. Et c'est à nous d'avoir cette humilité-là, de pouvoir lui dire merci et de le mettre à la face du public pour qu'il s'exprime, pour qu'il donne ce qu'il a au très fond de lui-même. Euh, donc à nos différents téléspectateurs que nous remercierons jamais assez. Merci à tous ceux qui nous suivent du côté de, de la Mauritanie. Euh, la famille Diop, euh, par exemple, euh, que je remercie, puisque le président sénégalais s'y trouve présentement. C'est pratiquement le même peuple, Basso Diomaye qui est d'ailleurs annoncé de l'autre côté à Banjul le 20 de ce mois. Il est en train de faire la diplomatie du bon voisinage, c'est tout bénéf pour le Sénégal. Et je vous l'avais annoncé hier, nous sommes aujourd'hui avec Moussa Kaba, de plus en plus, il y en a qui l'appellent professeur, je ne sais pas pourquoi. Professeur quoi Je ne sais pas, peut-être que les gens sont émerveillés par ce qu'il dit assez souvent. Mais en tout cas, ça, euh, ça prouve que ce que vous dites souvent euh, est très apprécié parce que vous sortez des chantiers battus. En mhm. tout cas, merci d'être là, Moussa. Bonjour Belle et bonjour l'ensemble des téléspectateurs et tous les Sénégalais et au passage je ne manquerai pas de féliciter l'ensemble des Sénégalais d'avoir opté pour une rupture et de prendre leur avenir et leur vie en main. Au-delà de toute difficulté traversée, cette bagarre qui a commencé pour tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora, un grand bravo et de dire simplement que le travail commence, c'est un autre type de combat pour une vie meilleure. Donc euh, cela veut dire qu'effectivement il y aura euh, des sacrifices, de la patience, de la rigueur, de l'honnêteté par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et euh, je pense qu'on ne peut, on ne peut avoir que le Sénégal dans des lendemains meilleurs. Euh, vous vouliez être président de la République, vous vouliez être candidat. Euh, après l'élection, vous vous êtes dit quoi Heureusement, je n'y suis pas allé parce que finalement, c'était un référendum. Ou bien, ce n'est que partie remise Bon, pour l'instant, je ne peux pas dire que c'est partie remise. J'avais souhaité, effectivement, de par la personne en l'occurrence qui m'avait effectivement mis devant euh, ce parti qui s'appelait MVP, qui est Moussa Sek, effectivement, euh, par la suite, ça n'a pas pu se faire. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu ce qui s'est passé, je me suis dit que euh, les Sénégalais eux-mêmes, ils ont vu effectivement le chemin réel pour aller vers leur propre avenir et la construction de leur personne et du pays. Et donc euh, aujourd'hui, je ne peux que m'en réjouir en tant que Sénégalais parce que ce, ce nouveau gouvernement, par, sous la présence du président John Faye, marque une rupture, marque en fait ce qu'on appelle une sorte de Big Bang, euh, d'une évolution d'une nation vers, du, vers le pragmatisme. Et je pense que c'est euh, ce qu'il faut retirer parce que il y, a y a une conscience collective et nationale qui est née à partir de là. Et donc, euh, je m'en réjouis parce que ce qu'on n'a pas pu faire pour une nation, si nous voyons d'autres compatriotes le faire ou sont prédestinés à le faire, nous ne pouvons que les encourager et créer toute euh, la possibilité, la facilité, la compréhension et de faire la médiation entre des fois de ce qu'on dit pour permettre à la population jeune et sans expérience des fois qui veulent de la vie, ce qui est normal, de pouvoir apporter des paroles qui peuvent être des paroles de vademecum par rapport à leur patience et par rapport au mal vécu. Euh, on en reparlera tout à l'heure. Mhm. En, quittant Genève pour venir au Sénégal, mhm. euh, pas mal d'aéroports traversés. Mhm. Euh, cette fierté sénégalaise, est exacerbée. les gens que vous rencontrez vous disent, mais waouh, quel peuple finalement. Non, exactement, parce que même de par les gens que je connais, euh, en Suisse ou en France, mais tout le monde m'avait envoyé des messages de félicitations que le Sénégal, encore une fois, ce dont tous les Sénégalais avaient peur, on a pu l'éviter de rester, euh, euh, comment dirais-je, l'exemple de la démocratie de pratiquement toute l'Afrique, mm. d'un pays noir, mm. une démocratie où ces élections sont passées et que l'ensemble des Sénégalais, on a vu quelque chose de terrible. Tous les Sénégalais sont partis des vieilles personnes et là, la surprise était que quand on a vu les, les, personnes âgées qui ne, qui ne, votaient plus, qui se sont levées le matin très tôt, le soir, on a compris que ces personnes âgées ont vraiment bien enregistré la souffrance de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et je pense qu'eux aussi, ils se sont préparés, même s'il ne leur reste pas beaucoup d'années à vivre, mais ils ont mis la prière la première pierre qui construit l'édifice d'un avenir meilleur pour l'ensemble des enfants et de leurs petits-enfants. Et c'est ça, qui est, c'est ça qui est fantastique. Et donc, quand on sort en tant que Sénégalais en Europe, bah, on est fier Parce qu'on euh, on a des, euh, euh, des, autres Africains avec qui nous partageons ce même continent qui n'ont pas ce que nous avons au Sénégal. Et il faut, il faut s'en réjouir et être fier, mais toujours rester dans l'humilité et de pouvoir continuer cette ligne que je dirais qui nous amènera certainement vers, euh, vers un salut ah, Assez souvent, en tout cas, je, m'en souviens, vers les années 88, mhm. euh, il y avait ce qu'on appelait le fameux Ndigel au Sénégal. Oui. Euh, par la suite, 93, mhm. on a entendu des marabouts demander à voter pour le président Abdou mhm. et tout. En 2000, avec l'élection de même chose. Mais le groupe en recherche d'études, en recherche de pour l'université gasson Berger disait que le Nigel était en train de s'effriter. Vous avez eu l'impression durant cette élection que les talibés sénégalais n'ont pas suivi le Nigel émis par mhm. des guides religieux. Effectivement, parce que effectivement, ce Nigel s'est effrité. Je pense qu'à un moment donné, on était dans un Sénégal émotif, un Sénégal émotionnel, où tout s'expliquait. Euh, les anciens ont dit calmons-nous. Les gens se sont calmés et on a vu ce qui s'est passé. Et je pense qu'aujourd'hui, avec euh, le monde numérique et les informations qui fusent de partout, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont compris. Ils ont compris quelque chose que je dirais que certaines personnes de notre génération n'ont pas encore compris. C'est-à-dire que c'est un verset coranique, en fait, qui dit quelque chose qui est très important et qui dit très long. Euh, euh, comme on dit, quand Dieu nous dit dans le Coran, Ça veut dire quoi C'est-à-dire que là, on va, on va voir dans la bidimensionnalité de l'homme, on a deux dimensions. La dimension de la personne qui physiquement peut sentir, voir, réfléchir. Et de l'autre côté, nous avons cette dimension de l'homme qui est connecté par rapport à une source divine qui est son origine à laquelle il retournera. Donc ça veut dire que quand on a envie de, s'en sortir dans la vie, il faut œuvrer par rapport à ce que nous voulons et selon les compétences et les forces qui nous sont données. Et les jeunes ont pris cela. Et quand on veut effectivement avoir la, la grâce divine, c'est de croire et d'aller vers Dieu, c'est-à-dire, comme il le dit, c'est en Dieu que tout croyant doit euh, euh, accorder sa confiance la plus totale. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, mais malheureusement, ça dépasse beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'effectivement, à ma grande surprise, comme je dis, on a vu des, des, certains, certaines personnes qui étaient peut-être bien intentionnées de par leur conviction politique de brandir des Corans en disant que Billahi Dieu leur a montré. Et je me dis, je crois que c'est un point où ils seront appelés à l'humilité. Parce que Dieu ne parle pas aux hommes comme ça. Il le dit même dans le Coran, Dieu ne parle jamais à l'homme de vivre voix en dehors d'un rideau ou d'une révélation ou l'envoi d'un prophète. De ce que nous savons, ils ne sont pas des prophètes. Et je pense que s'ils avaient eu cette information qui leur disait que tel serait le, le, président de la République, et de, de façon certaine, je pense qu'ils auraient beaucoup plus d'humilité et donné des conseils, euh, pas de façon visible, pour la simple et bonne raison que, comme Dieu le dit dans le Coran, souvent, ne sont humbles et craintifs de leur Seigneur que ceux qui savent. Donc, à quelque part aujourd'hui, nous nous rendons compte que la détermination des jeunes et de toute la nation sénégalaise était tellement forte que la main de Dieu est rentrée dedans aussi, on peut le dire ainsi. Et c'est pour cette raison que, au niveau du Nigel, je pense que actuellement, il y a un gros travail qu'il faut faire au niveau de la chefferie religieuse. C'est-à-dire, recaler tout une chose et comprendre que chaque personne aujourd'hui dans cette vie ne peut construire sa vie que de par ce que Dieu lui a donné et de ce que Dieu nous a pourvu tous, être humains. Mais ne plus dépendre d'un avenir dont la réussite sociale dépend plutôt d'un travail et d'une organisation que, par exemple, euh, de par la quête spirituelle. La quête spirituelle nous donne une élévation, une spiritualité. Mhm. Donc, cette bidimensionnalité, on le sent aujourd'hui parce que ces jeunes-là, moi, ce que j'ai ressenti, c'est une mutation sociologique. Avant, on était dans l'émotion, mais aujourd'hui, on est dans le pragmatisme. Et c'est ce pragmatisme-là qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégalais peut, gagner, peut avoir la confiance de n'importe quel être humain et que partout dans le monde, il peut sortir parmi les meilleurs, comme ça l'a toujours été aussi. Euh, à euh, ça dire que le syncrétisme religieux mhm. qui caractérise le Sénégalais va finir par disparaître. Euh, euh, nous croyons à Allah, mhm. mais nous avons des croyances soit confériques, soit même parfois coutumières, traditionnelles. Effectivement, parce que quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, et que nous revenions un tout petit peu de façon anthropologique de la période avant l'islam, et dans le Coran, Dieu le dit effectivement aux Juifs et aux Nazaréens, qui étaient en fait des gens qui prenaient leurs prêtres et leurs rabbins comme Dieu. Ils prennent leurs rabbins et leurs prêtres comme Dieu en dehors de Dieu. C'est ce qui s'est passé à un moment donné. Parce qu'il y a une forme de croyance. Parce que je me dis, euh, en fait, euh, j'ai marqué juste un point sur la loi de l'unicité divine, elle est différente de la loi de la croyance. Ça, la croyance est une chose, mais elle n'est pas forcément quelque chose qui corrobore directement avec l'unicité divine. L'unicité divine, quand on est dedans, on a la foi. Mhm. Voilà. Et donc, aujourd'hui, à euh, force d'entendre, par exemple, euh, certains, euh, certains chers prédire l'avenir de quelqu'un et dire, par exemple, que, à la limite, Dieu leur a donné, Dieu leur a donné, alors qu'à un moment donné, les gens sont dans la patience, à défaut de pouvoir contredire parce que la connaissance coranique n'est pas présente. Donc, finalement, ils ont toujours le dessus. Mais moi, la question que je me pose en termes d'humilité et de possibilité de pouvoir connaître l'avenir, notre cher prophète Mohammed a bien dit voilà, <laughs> euh, euh, euh, je ne, je ne vous dis pas que je suis le trésor divin. Voilà, je ne connais pas l'inconnaissable. Voilà, Je ne vous ai pas dit que je suis un ange. In Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Mais quand on le voit, par rapport à ce qui se passe, on dit qu'on est dans une contrition vis-à-vis de ce que nous voyons. C'est une contrition, parce qu'à la limite, c'est avancer euh, son émotivité par rapport à une représentation que nous avons d'une dimension de Dieu qui n'est pas la dimension ultime. Et c'est là où je me dis, par exemple, que euh, les jeunes, je crois qu'ils l'ont compris. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, de par les discussions qu'on a, qui ont compris qu'effectivement, la vie, c'est autre chose. La vie, c'est autre chose parce que quand on voit ce prophète Mohamed Sallallahu quand Dieu lui dit, en fait, chaque personne, l'inga def, de par l'inga def, il y aura, le résultat. D'accord Et c'est là où il y aura la récompense. Maintenant, la question qu'on se pose en toute humilité et en toute euh, intelligence, d'un niveau ou d'un autre, c'est de dire, qu'est-ce que j'ai comme résultat Est-ce qu'il est bon s'il est bon, le cheminement a été bien. Mais si le résultat est la misère qu'on a trouvée et la difficulté de se soigner, la difficulté de ne pas pouvoir manger, c'est que le cheminement n'est pas bon. Il faut le changer. Et c'est là où cette rupture est venue dans cette compréhension de cette jeunesse qui mute vers un monde qui n'est plus un monde de l'émotion, mais un monde de pragmatisme. Parce que cela veut dire que les lo bëgg am da taxaw ci def def mu résultat résultat boobu nag lay ko sur le plan spirituel la ngay jëf ci lu résultat ba day yéeg ci borom ila rabbikal muntaha ci ci borom lay mais sur la vie la vie ce qui va se passer c'est que de tout cheminement vers une réalisation d'un projet, de son organisation, de, sa, cette réalisation, le résultat final nous donnera satisfaction ou insatisfaction. Et pour l'instant, la rupture qu'on voit, je pense que nous allons vers un euh, niveau de satisfaction qui aura permis de remarquer une maturité, surtout de la jeunesse sénégalaise. Mais, cette, satisfaction doit être mhm. basée sur le travail, parce que vous parlez de pragmatisme, mhm. de praxis. Mhm comme on dit en philo, mhm. euh, ou ça doit se baser sur la prière, ou les deux à la fois Non, parce que, comme je dis, la prière, je pense qu'en dehors de la prière, qui est la gymnastique que nous faisons cinq fois par jour, c'est une prière qui nous rapproche de Dieu, ça c'est le lien entre l'homme et son créateur. Mais euh, euh, le travail qui doit être fait doit être fait à tous les niveaux. Même la prière que nous faisons dans le cheminement pour une spiritualité est un travail le fait de se lever, aller prier, apprendre le Coran, connaître, et puis savoir comment invoquer Dieu et tout, c'est un travail. Maintenant, comme on dit, ça se définit sur les deux versets que j'avais dit. loo bëgg ci àddina soo ci taxawee man yàlla ma fekk si ci la ci wama ma yuridu sawaabal axira boo ci taxawee ci lu jëm ci alaxira man yàlla ma fekk si la ci defal la ci euh, effectivement euh, mm. li nga xamante salihin la hum les gens qui sont d'une de certaines vertus ne seront que félicités devant Dieu et c'est ça donc entre la prière qui nous monte spirituellement vers Dieu et le travail que nous devons faire par rapport à li nga cette euh, cette tranquillité d'esprit tout au long d'une vie et cette tranquillité d'une vie nous donne la posture de pouvoir avoir Dieu en tant que être sans coloration ni rien. Donc mm. ça, se, basera sur le travail, sur l'endurance et la patience. Le, fait mm-hmm. d'avoir été à l'élection présidentielle mm-hmm. et qu'un homme qui ne s'identifie pas à une confrérie, mm-hmm. qui se dit juste musulman, qui n'a reçu le de personne et qui se retrouve à 44 ans président de la République, est-ce que qu'il était qu'il ni jiite les confréries au Sénégal les guides religieux wala dafay wane ni yalla rek mo fi nek et que kenn ku nek topal li nga bëgg. Mhm. mais au moment de faire des choix yi nga c'est de la temporalité nga defal ka sa en toute mhm. connaissance de cause. Mhm. Donc, euh, euh, non, c'est très intéressant. Quand tu disais ça, je voyais un verset qui me venait euh, à la tête. Euh, ça dit qu'il y a la notion de responsabilité. Pourquoi responsabilité On est responsable de notre propre personne. Et le Coran nous le dit, vous êtes responsable de votre propre personne. C'est fort ça. C'est Dieu qui nous le dit. La ne vous détournera jamais vers le mauvais chemin. si vous êtes bien guidé. Donc ça veut dire que c'est une prise de conscience. Moi je le vois un peu, un peu sur le plan spirituel comme une un big bang de la compréhension spirituelle des jeunes aujourd'hui et pratiquement dans l'ensemble de la population des Sénégalais. Euh, effriter effectivement euh, le, niveau de la place des chefs religieux, je ne pense pas, parce que les Sénégalais sont conscients de leur proximité maintenant avec Dieu, qui sépare ce qu'ils croient par rapport à leur marabout, qui leur donne effectivement une voie à suivre. Je pense qu'ils ont fait la séparation entre mon marabout me guide vers une quête, un sens, euh, ma quête de sens et euh, dirigé par un marabout en qui j'ai confiance, qui a de la connaissance. Ça, je pense que ça va rester. Mais par contre, ce qui est de l'ordre de la réussite sociale et de la vie ici-bas qui permet d'avoir une tranquillité par rapport à une quête de sens, je pense qu'ils l'ont compris, c'est séparé. Mais je ne pense pas que ça va euh, diminuer hum, euh, ou... en tout cas, quand je dis les chefs religieux, je parle de, de Touba, de, de, de, de, de de Yoff, euh, ces gens qui ont effectivement l'héritage de cette spiritualité, je pense qu'ils auront toujours leur même titre, mais souvent, c'est certains qui font effectivement à quelque part la présence dans les, dans les, sur les écrans de télévision et qui effectivement apportent autre chose que l'islam. Il faut oser le dire. Vous faites le distinguo entre euh, les foyers religieux nga c'est des foyers ardents d'apprentissage du Coran mhm. de récitation mhm. euh, d'exégère du Coran mhm. de d'exemplarité en matière de crainte révérentielle même Et li proposer au niveau des télévisions c'est pratiquement du show islamique médiatique oui c'est non je fais la différence je fais la différence parce que comme je dis par exemple on ne peut pas se dire par exemple croit ou qu'elle ne croit pas. Parce que la croyance, il n'y a que Dieu qui peut effectivement mesurer la foi de quelqu'un. c'est pas nous, être humains, en toute humilité. Mais je me dis qu'effectivement, quand on entend, quand on entend, on peut savoir ce qui se passe. Parce que Dieu le dit dans le Coran. Ceux qui écoutent la parole et qui suivent le meilleur de cette parole, hum ce sont ceux qui sont doués d'intelligence. Mais quand j'entends par exemple quelqu'un qui me dit, oui, il faut faire ça pour que Dieu te donne ça, non, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a... On peut dire que, alhamdoulilah, quand on regarde tout ce qui se passe dans la, dans la nature, dans l'univers, Dieu a tout donné. Maintenant, tout est de notre posture de pouvoir mettre l'œil sur ce que Dieu nous a donné et apporter le concours qui nous permet d'acquérir cela. Et ça, ça passe par l'apprentissage, la formation, la rigueur, le travail, et pas dans le voyeurisme ou dans la para. La para n'est rien d'autre que euh, une façon de dire je vais euh, reporter ma comparution à une autre date parce qu'un jour on s'expliquera. Donc, euh, pour moi, je me dis, je fais la différence parce que quand j'entends certains chers qui parlent aujourd'hui, certains chers vous parlent de Dieu et ils vous parlent de l'essence coranique comme on le dit quand on les entend, il y a un verset de Coran qui nous revient toujours. Euh, le Coran en arabe, en langue arabe, il n'y a pas de tortuosité. Hmm. Euh, la'allahum yatazakaroun. Coran euh, euh, en arabien, ghayrazi iwajin. Moi, le Coran, amul ben tortuosité. Mais il y a des trucs qu'on entend. Euh, c'est pas des tortues, c'est des bombes. Quand tu l'entends, pendant que tu, euh, les écoutes, mhm. ça crée une. Euh, ça, crée une, sorte de bipolarité entre toi et de ce que tu entends en tant que le Coran et de ce que la personne explique. Tu te dis qu'il y a une contradiction, mais énorme. Et ça, malheureusement, euh, les gens ne peuvent pas le dire, mais je pense qu'ils ont compris et ils se sont tués et ils ont pris leur vie en main mhm. et ils le détachent par rapport à ce qui se passait avant euh, euh, euh, ce, qui, ce qui surprend, c'est que mhm. malgré les recherches et les filles qui voient le mhm. Coran, en fait, vous ne donnez pas de, de vous ne donnez pas de. Ouais, si vous faites 50 basmala, vous transformez le lion en chat. si vous faites 129 yalatifou, vous aurez de l'argent. Mhm. ça, quand même, les gens se disent, mais il, devait devrait être en mesure de nous apporter ces petites choses pour nous aider à mieux gagner notre vie. Mhm. Non, c'est-à-dire que les gens peuvent gagner leur vie, effectivement, euh, en croyant à un monsieur qui peut leur apporter de, l'argent de par le Coran. C'est possible, ça. Euh, bah, je vais apporter un verset, puis on va discuter là-dessus min al ahbaari wa ruhbaana la yaqula amwala nasa bil baatil Yeni ñi gëm yàlla am ñu bëri on le disait aux juifs ki sen rabbin yi ak sen euh, prêtre yi dañuy lek nit ñi par le faux c'est quoi le faux le faux n'est rien d'autre que moi je me lève pour aller travailler et je te dis que fais ce que tu vas gagner de l'argent alors que je me lève le matin travaille du matin au soir il mmh. y a un problème soit effectivement dama le bëgg nga jox ma ben 100 euros wala 200 euros en croyant que ñaan bi lay defal ça va t'amener un million d'euros je dis il faut qu'on arrête de rêver et je me dis encore une fois la richesse que Dieu donne c'est pas l'argent subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun il est au-dessus de ça l'argent c'est l'homme qui l'a créé si euh, à quelque part c'est une question hein, je me dis euh, parce que il y a des gens qui nous regardent c'est une question si Dieu donnait réellement de l'argent le prophète Mohammed sallallahu c'est lui qui a reçu je dirais que le pouvoir financier qu'il aura, qu'il aurait, remplirait l'univers en termes de billets jusqu'à la fin des temps. Et encore pour rappeler que l'univers observable est de 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Mhm. Et ce, saint prophète, il est mort pauvre. quand même, sa femme était plus riche que lui, Exactement. Donc, je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas qu'on essaye de, de, noyer le poisson et puis avoir un poisson, euh, une souris dans la main gauche et dans la main droite, rentrer les deux et puis rentrer le poisson et je sors une souris. Non, ça c'est de la prestidigitation. <laughs> oui, mais... là, vous me confirmez ce que, mhm. ce que me dit le directeur général de, de Ciel qui me mhm. dit, prie, d'accord, mhm. parce que tu prier, mais la prière et la chance, c'est deux choses différentes. à euh, non ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir quand on voit tout à part le, roi Salomon le, roi Salomon mais tous les autres prophètes n'avaient rien du tout et pourtant ils ont porté la parole de Dieu ils ont reçu la révélation et donc aujourd'hui c'est qu'il faut comprendre que en fait dans la religion à un moment donné elle épouse la culture et la culture quand elle rentre dans la religion ça devient une problématique ou bien on problématise parce que souvent, il y a des choses qui se passent, mais ce n'est pas du Coran. Qu'on le dise haut et fort, ce n'est pas du Coran. Le Coran, quand il nous parle, il nous parle de sagesse, il nous parle d'amour, il nous parle d'honnêteté morale, il nous parle d'honnêteté intellectuelle, il nous parle de la rectitude. Le Coran ne nous parle pas d'argent. Là où le Coran peut parler de l'argent, c'est quand, effectivement, vous devez acquérir quelque chose ou une dette ou quoi que ce soit le témoignage, la signature de, la personne qui a contracté la dette face à un ou deux témoins que lorsqu'il y aura problématique, que ce témoignage puisse départager les deux. On l'a vu même, euh, on l'a vu même sur le, quand on voit par exemple ce que Dieu exhorte comme le prophète Daoud à qui Dieu a donné par exemple pas mal de pouvoir. Euh, à un moment donné, euh, il y avait deux bergers, il y, avait un berger qui avait 99 moutons et puis euh, l'autre est venu lui confier euh, son mouton. Et à un moment donné, il y avait un problème de litige. Ils sont venus voir par exemple le, prophète Daoud et pour dire que l'humilité de ces prophètes, ça fait effectivement, ils sont des exemples à suivre, mais nous ne les suivons pas. Et quand il lui dit, il avait 99 moutons. Man ben. Hein? Euh, wa azani fi qitam daf stressé bu finalement mu nous ñu euh, séparé fakum baynana jugé et puis tout d'un coup dagouda bi mu gissé lolu pour mom en fait euh, bi muy wax ci né par exemple inna kasiran min ala yabari barduhum ala bardin am ñu ci bir nit ñi dañuy abuser ci ñenn ñi et quand il a fini là mu yakarne mom yalla daf ben Ben Ben nattu qui lui mu jugé en fait il n'est pas jugé mais qu'est-ce que Dieu l'a rappelé tout de suite a Daoud ô toi Daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard je t'ai mis vicaire sur terre il ah. bayna bil haqqi la tattabi'u ahwaahum ne juge par la vérité et ne suis pas la passion des hommes par rapport à certains sentiments basés sur une émotion fa yudilluka an sabilillah inna allazina yudilluna an sabilillah eh, eh, azab eh, azabun azabun hisab ça veut dire que Daoud ci parce qu'il a pensé qu'il n'y pas pas d'erreur pour dire à quel point la rectitude mhm. le côté de la justice est ancré dans le Coran c'est rien d'autre que ça et si on avait cette justice je me le disais mais savoir que ta proximité avec Dieu je n'ai pas de place mais on va essayer d'amener le, problème ailleurs où il n'existe pas pour prouver son islamité. On n'a pas besoin de prouver son islamité. L'islamité se vit à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui est important. L'islamité ne se juge pas. Ne se juge pas. On ne peut juge pas l'autre. On ne peut pas. On ne peut pas juger. On ne peut pas. Ali sallallahu Il est le seul juge. Il est le seul juge. Nul ne peut juger personne. Juger quelqu'un présuppose que nous avons la vérité humiliable. Et cette vérité, elle est inaccessible. Nous n'avons que des représentations de cette vérité. La vérité divine, comme il a dit, il a créé les cieux et la terre par la vérité et il vous a façonné de la plus belle manière. Ça, c'est une vérité qu'on voit tous les jours. Mais quant à ce que je peux penser de Jean ou de Paul, c'est ma pensée, mais ce n'est pas la vérité. Euh, vous serez d'accord avec le président de le Conseil constitutionnel, lorsqu'il disait à Bassirou Diomaye Faye, le 2 avril, jour de son investiture, mhm. dans votre élection, il y a la main divine on, va, on, va, on va le croire. On va le croire. Parce que effectivement, euh, l'humour faut am quoi. Et comme je dis, ça ne ça n'altère pas la présence d'un chef religieux ou d'un guide religieux. Parce que Dieu le dit dans le Coran, c'est le troisième verset que je viens de te donner tout à l'heure sur euh, euh, euh, à, ce, à, ce, sujet. Yunazilul malaikata ruhi min amrihi ala ma yasha'u min ibadi an anziru yàlla mooy wàccee lu ko neex ci jaamam ci lu pour que nous porter la parole ou que nous avertir c'est clair il y a des choses ne c'est pas de la magie c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bassirou Diomaye quand on regarde au départ toutes euh, les critiques à son endroit, de par le fait qu'il n'était pas tellement médiatisé, on a dit tout et n'importe quoi sur lui. Mais la preuve en que quand la main de Dieu est là, quand la main de Dieu est là, je me dis que le gars, il ne va pas parmi mi-chemin, c'est à, à gauche ou à droite. Il dit ce qu'il pense, il le dit avec vertu, humilité, clarté, que en tout cas que, demain soit meilleur encore par rapport à, sa présidence pour que les Sénégalais aussi soient euh, certifiés qu'ils ont fait le bon choix. Mm. Voilà. Mais la main divine peut survenir et à, un moment qui survenir sur des situations, mais personne ne le sait auparavant. Personne ne le sait auparavant. Et Dieu me dit, merci euh, Dieu de faire ça, parce que imaginez, euh, toutes les personnes qui étaient peut-être intentionnées par rapport au, vote de notre candidat qu'ils portent dans leur cœur, dont c'est leur droit d'avoir juré sur Dieu que Dieu leur a montré, mais Dieu a parlé autrement. C'est pour ça qu'à un moment donné, mhm. euh, moi ce que je dirais, c'est que l'ensemble des Sénégalais qui nous écoutent, en matière de, de coran, de foi et d'amour de, de, du travail, « la preuve vous est venue, la preuve nette. Faman lui nafsihi. Celui qui voit cette preuve, c'est pour lui. Waman Ça dit que Le Coran nous dit des choses, quand on s'y attelle, mais on ne peut pas croire à des futilités. On ne peut pas le croire. Parce que dire que euh, tel sera tel, tel, tel, tel, on peut faire des rêves prémonitoires. Cela, le don, Dieu l'a donné. Voilà. Moi, je connais des gens qui font des rêves prémonitoires. Mais pour autant, il ne pavane pas en disant que je suis le plus proche, celui qui est le plus proche de celui que tu ne connais pas. Où est-ce qu'il se pose Et puis, comme je dis, Dieu n'est pas en fait euh, quelque chose de statique. Il est l'univers dans sa totalité. Il est l'univers dans sa totalité. Mais, vu du Sénégal, c'est comme si mmh. euh, Dieu était notre voisin immédiat. Euh, quand il, est là, mais tout autour de lui, il n'y a que des Sénégalais. Mais c'est la croyance. C'est ce que je dis, la croyance. La loi de la croyance. On peut croire à tout ce qu'on veut et on va le démontrer en disant que ce que je crois, c'est comme ça. C'est le Sénégalais qui vous dit que les vous boudaigne. Moi, quand j'entends ça, j'ai peur. Parce que je me dis, mais ce gars, il est Dieu, en fait. Sur quelque chose qui va se produire. Mais tu n'en sais rien. Il y a tellement de choses, des contingences de choses, que ce que nous prévoyons peut ne pas avoir lieu pour des circonstances que nous ne maîtrisons pas. Et comme je dis, c'est comme quand on rentre, euh, quand, on, on, me demandait une fois, il paraît que Dieu a tout écrit. Je dis oui. Il a tout écrit. Que tout ce qui nous arrive, oui, tout ce qui nous arrive entre la naissance, la vie et la mort, c'est écrit. Katiban, c'est écrit. Et donc on n'est plus maître de nos destins. Absolument pas. C'est là où les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que euh, quand Dieu dit que tout ce qui va nous arriver sur Terre et jusqu'à euh, dans l'au-delà, c'est écrit dans un livre gardé. Mais si on le prend par rapport à un autre verset qui dit la même chose, mais de façon un tout petit peu détournée, mais tout ce qui nous arrive sur Terre de mal, c'est vos mains qui, qui les ont fabriquées. Mm. Ce n'est pas une contradiction, c'est une continuité. La continuité de quoi De votre vie qui a été décrété par Dieu sur une durée qui aura une fin. C'est ça la destinée en fait. Mais par contre, pendant cette vie, vous avez votre propre responsabilité. Qu'il y a des choses que vous ferez qui vous feront mal, c'est pas Dieu, c'est vous qui l'avez fait. Et Donc, à un moment donné aussi, je me dis, euh, il faudrait que, euh, comme je dis, je pense qu'on aura l'occasion de faire aussi une station sur les 14 lois qui gouvernent l'univers. Mmh. Ces 14 lois, quand on, a, quand on a conscience, je ne dis pas qu'on n'aura pas de problème. Mais on sera 90% tranquille dans sa vie. Mmh. Parce que tout ce que nous faisons de mal, ben, elle nous revient. Ça, mon coco, amoul. Mais je veux dire, par exemple, cette loi peut être expliquée. Et quand elle nous revient, elle nous revient de la plus belle manière. Il suffit de prendre, par exemple, dans, le, dans, le, dans le Coran, quand Dieu nous dit

Et c'est ça le don. Mhm. Mais donner pour recevoir, ce n'est plus du don. Quand on donne, on donne. Mhm. Et ça, il faudrait que ça rentre dans notre ADN. Il faut que ça, ça, fasse quelque chose, Mohamed Les gens vont comprendre que Dieu ne joue pas avec des, avec des dés, comme a dit Einstein. Tout, est dans, tout ce que tu fais de mal te reviendra ici-bas, Balagaïdem. Il y a des choses qui ne se font pas par hasard. Mhm. Mhm. Non, non. Mhm. Et, ça, par exemple, ce sont des lois qui nous permettent de, nous situer aussi analytiquement dans, dans un monde dans lequel nous vivons. Nous avons des, voisins, des frères, des soeurs, des, cousins, des amis. On a, euh, par exemple, des compatriotes. Il y a des choses qu'il faut faire dans les règles de l'art. Sénégal, si nous on serait, on serait à des niveaux insoupçonnés. On ne s'aime pas assez. Mais bien sûr. parce qu'on est entre nous. Exactement. Et ça, c'est dommage, quoi. Ça, c'est dommage. Euh, souvent, par exemple, moi, je pense que c'est une, une hybridation d'une culture qui a fait ça. Cette culture de développement occidental qui nous parvient de l'Occident et cette culture religieuse, je ne dis pas spirituelle, religieuse, ah. de religiosité qui nous vient de, de l'Orient. Finalement, on veut s'identifier en musulman, mais on s'identifie en arabe. On n'est pas des Arabes, on est mm. musulmans sénégalais. On veut être développé, on peut se développer sans pour autant se blanchir. Et c'est là où il faut créer la séparation. C'est pour ça que souvent, effectivement, notre culture, et, notre, culture disparaît alors qu'elle ne doit pas disparaître. D'ailleurs, euh, c'est des critiques que vous recevez. Pas mal de gens pensent que Moussa Kaba, qui parle du Coran, doit être en grand boubou, en turbané. Donc la culture arabe euh, il est trop culturellement occidental. Effectivement, c'est ce que les gens... Il euh, y a beaucoup qui me disent, hein, oui, Olaf et tout, quoi. Non, c'est-à-dire qu'en fait, le meilleur habit n'est pas dans le tissu, comme on dit. Voilà. Euh, le, prophète Mohamed n'était pas styliste. Hein. Il ne s'habillait pas comme les gens là. Hein. Voilà. <laughs> Donc, c'est un exemple de moralité. C'est un exemple de foi. On, peut le voir sur Abraham, on peut le voir sur Moussa, on peut le voir sur l'ensemble des prophètes. Ce pas des stylistes, c'était des gens qui avaient une foi, mais une foi euh, incommensurable à l'endroit du Créateur qu'ils nous ont fait découvrir. Parce que c'est Dieu qui leur a passé le message pour que nous le parviennent afin qu'on soit aussi croyants et, des hommes de foi. Et je dirais encore une fois, l'habillement, je vais le ramener dans le Coran, C'est Dieu qui le dit. Habillez-vous. Le meilleur habillement, c'est la proximité divine. Et c'est ça que peut-être que je, je, véhicule, <laughs> voilà. Mais euh, au lieu d'être l'essence, nous sommes peut-être des fois un bidon. Une fois que l'essence est finie, il n'y a, plus, a plus que le bidon. Il faut qu'on soit l'essence. Je hein? voudrais qu'on aborde une question mhm. internationale aujourd'hui, mhm. avec tout ce qui se passe entre l'Iran et Israël. Mhm. Euh, pour vous, la paix n'est pas du tout possible dans cette zone-là, de par l'histoire De par l'histoire, ça va être très difficile. Parce que, effectivement, moi, je suis, des fois, je me, je me sens même un peu, des fois, euh, heureusement que j'ai une fois que je n'ai pas eu chez les Arabes, hein. mais je me dis, euh, l'Iran et, euh, l'Iran et Israël, à un moment donné, même le roi actuel de l'Arabie Saoudite, avait effectivement accepté que l'Israël bombarde l'Iran. Pour vous dire les divisions, hmm. c'est-à-dire que eux, c'est des chiites. Mais qu'ils sont des chiites Des Hanbalites, des Hanafites, des Malikites. C'est pas ça le problème. Ils ont tous le même Coran. Ils ont tous le même Dieu. Hmm. Alors, parce que dans, dans cette division des concepts venant de certaines écoles juridiques, on va détester son frère, je dis même pas son frère musulman, mais son frère être humain, parce que nous croyons à quelque chose que nous savons façonner de notre propre main au-delà de ce que Dieu nous a donné et pour que finalement euh, Iran qui va effectivement avoir des problèmes avec Israël tous les autres pays arabes vont regarder, les pays musulmans vont regarder, alors que ce n'est pas normal. Parce que ce que le Coran nous dit, réellement, si les musulmans s'unissaient, on serait une force redoutable face au monde. Mm-hmm. Ouais. Mais ce qui se passe effectivement euh, pour l'instant, je n'ai pas tout suivi, mais je sais qu'effectivement, ce qui se passe actuellement, on regarde, hein, mais je ne dis même pas l'Iran et l'Israël. Regardons simplement la, la, bande de Gaza, euh, la Palestine. Mm. il faut le dire, le monde arabe a abandonné pratiquement euh, euh, Palestine. la, Palestine. Et ça, c'est inacceptable. Et après, on se dit qu'effectivement... Et en plus, le monde arabe, tous les problèmes qu'ils ont en général, c'est créé par les Israéliens. Et ils le savent. Oui, même les aspects de deux corités ou de deux, de deux tabaski des fois, mais ça, vient des Israéliens. Et ça, on le sait. Les musulmans doivent avoir seul Dieu unique et son prophète Mohammed sallam et aller dans ce sens pour être, comme il le dit. Hein. Euh, vous savez, moi quand je vois par exemple ces trucs-là, ça me ramène sur le fait de « Ceux qui divisent la religion et qui en font des sectes. Dieu dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es rien pour cela. amruhu ilallah, l'ordre vient de ton Seigneur. Donc quand on voit tout cela, mais nous ne l'écoutons pas. Et nous ne voulons pas, parce qu'aujourd'hui, ce qui est difficile, le monde musulman qui ne s'entend pas, et quand on part à Copenhague, euh, en Suède, en Suisse, en France, les États-Unis, quand ils veulent battre un pays arabe, ils ont une coalition, mm. parce qu'ils ont un fond culturel identique. Judéo-chrétien. Judéo-chrétien. Et nous, notre islam, bah, elle est une islam euh, circonstancié pour des intérêts financiers. Et c'est ça qui fait que les musulmans ont une vie très difficile. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas Dieu le problème C'est pas Ce n'est pas Dieu lui-même le problème. Non, c'est pas Dieu. Il aurait pu équilibrer le monde autrement, mais il donne une force incommensurable à ceux qui ne sont pas de l'islam au détriment même de, cet islam-là. Est-ce que c'est Dieu qui, leur a donné la force Parce qu'aujourd'hui, je me dis... Dire, les, Israéliens, mhm. quoi qu'on leur dise, ils sont mhm. quand même brillants mhm. et dans tous les domaines de la vie, mais ils excellent. Mais tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir que vous savez combien, combien de livres lit euh, un Israélien par année Non. 10. Un occidental, il lit 3 à 4 livres par année. Vous savez, un musulman lit combien de livres par année Non, il faut les mettre de côté. C'est-à-dire que cette lecture, l'apprentissage, de comprendre effectivement les choses dans leur fond, c'est ce qui nous manque. Il suffit de le voir ici. Parce qu'à la Mecque, hein? euh, j'ai fait cette remarque, le monsieur m'a dit, mais nous, c'est pratiquement la première fois qu'on voit mhm. un noir qui vient à la bibliothèque de la Mecque. Oui. Mais la bibliothèque de la Kawa, ils disent c'est la première fois. On te voit tous les matins venir, on ne sait pas ce que tu viens chercher. Mhm. Euh, mais d'habitude, les gens, ils passent même pas par ici. Non. Ils, ignorent même l'existence de, cette bibliothèque-là. en fait, le vrai musulman, il ne lit pas, il ne va pas aller chercher. Il entend et il répète. C'est ça le danger. On le voit, sur, mais par exemple, sur les facteurs du ramadan, sur les facteurs de, de, Mais regardez encore une fois, cette année, la lune. On nous dit que elle n'est pas apparue alors qu'elle était là la Lune est apparue le lundi 8, le lundi 8 à 20h21, euh, à 18h21 GMT. Mais on nous dit qu'à par rapport à l'éclipse, on ne la voit pas. Il faudrait qu'on réfléchisse. Quand il y a éclipse, il y a mm. les deux astres. Donc il est là. Et, à la fin, on s'est tous retrouvés. Mais voilà. Et donc, je me dis, c'est ça. Alors que, effectivement, je ne le dis pas pour, pour critiquer les gens qui ont décidé. Mais c'est que si nous revenons au calcul coranique, mais non, mais c'est le calcul coranique sur la rotation de la Terre, euh, par exemple le positionnement de la Lune, la Terre et le truc, tous les 19 ans, 254, euh, quand on regarde par exemple, il y a même des calculs qui ont été faits sur le truc de Qamar, juste euh, dans la sourate, on, on, en discutera. C'est quelque chose qui est tellement scientifique que on se dit que on n'est pas scientifique du Coran. Et le Coran, quand, le, quand le Coran dit la wa kullun fi Mais c'est plus juste que les paramètres de l'univers. C'est plus c'est beaucoup plus juste que les paramètres de l'univers, mais on se dit que je pense que en fait euh, la notion de ne pas aller vers la science, c'est que nous ne comprenons pas que la Terre tourne sur elle-même. Parce que si on avait cette vitesse et le voyage du soleil dans l'univers, les 790 000 km heure, je pense qu'on comprendrait que Amnelo Khamantane, c'est calculé minutieusement par Dieu. Et ça, c'est dans le Coran, mais on ne le, voit pas. Quand le président Maxal crée l'agence sénégalaise d'astronomie, vous applaudissez Bon, <laughs> applaudissez, je me dis, ça peut créer des emplois et une... Euh, mais, mais de ces astronomes-là, euh, avec euh, toutes les études qu'ils ont, qu'ils ont faites, je me dis, à un moment donné, l'astronomie, si elle contrevient à l'astronomie elle-même de par les vitesses, euh, par exemple, la position des astres, je ne sais pas si c'est de l'astronomie réellement. Parce que, je me dis, aujourd'hui, il y a des paramètres, des sondes, on a des, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des, comment ça s'appelle, des, euh, les trucs de Hubble euh, télescope, mais qui nous donne l'information exacte. Et cette information exacte qu'elle nous donne, effectivement, elle vient des Occidentaux. Mais qui a créé les Occidentaux C'est Dieu. La connaissance, c'est Dieu qui l'a fait connaître. Et l'astre qui est l'objet même de l'étude est une création de Dieu. Je ne vois pas comment, effectivement, quelqu'un qui, de façon scientifique, qui correspond à des données coraniques, nous dit que voilà, il est là et puis on le contredit. Alors que le Coran dit, c'est que lui, il le dit scientifiquement, et le Coran vous le dit en filigrane. Ça dit qu'il faut qu'on accepte qu'à un moment donné, le Coran n'est pas quelque chose qui. La, science n'est pas quelque chose qui est extérieur au Coran. La, science, elle est. Elle est. Mais comme quand on dit. Il englobe toute connaissance. Dieu. S'il englobe toute connaissance. Donc la science, elle est dans ce qui est englobé. Elle n'est pas à l'extérieur. La seule chose qui est à l'extérieur de notre univers, je veux dire que c'est euh, cet ordre qui a fait démarrer l'univers, parce que l'univers est une logique. Son hmm. côté sphérique, les astres, les galaxies, la Terre, dans sa dimension, c'est une logique. Et comme on dit, dans l'incomplétude, tout ce qui est logique, sa cause n'est pas à l'intérieur, elle est à l'extérieur. Et le Coran le dit, en plus. Mais on ne regarde pas ça. On, est, on est plutôt sur des, souvent des récits qui ont été bah, écrits par des gens selon leur compréhension. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, le Coran nous dit des choses que même on le saura dans, 15-20 ans. Euh, deux questions pour terminer. Hein? Mhm. Euh, scientificité du Coran mhm. euh, ou simple lecture scientifique du Coran mhm. pour dire certains détracteurs que le Coran n'est pas tout dans la science. Le Coran n'est pas dans la science. Ou la science n'est pas dans le Coran. Non, <laughs> la science est dans le Coran. Parce que, je vous donne un exemple. Vous prenez la surat Hadid, qui est la 57e surat. Elle n'est pas là par hasard. La masse atomique du fer est 57. Le Coran nous dit que euh, euh, euh, le fer ne vient pas de la terre, elle descend. Mhm. il a descendu le fer pour que nous donne le Khamantane amal le Coran comment le prophète a dû comprendre cela si la masse atomique du fer est 57 qu'on me dise pourquoi effectivement dans la compilation du Coran pourquoi Khadid est arrivé en 57e position. Ça, c'est des données techniques sur lesquelles on peut aller sur beaucoup de trucs. Les, abeilles, la fourmi... Euh, Parce qu'on a beaucoup de choses comme ça. Oui. Euh, le Coran euh, multiple de 19, par exemple. Mais le multiple de 19, c'est pas par hasard. Je donne un exemple. Si vous prenez le Sotur Rahman, Ar-Rahman, Dieu s'adresse aux djinns et aux, hommes. Si on voit le nombre, la position de Sotur Rahman, d'accord, 55. Il y a combien de versets 78. Si on les additionne, ils nous donnent la masse atomique du césium. Même le neutron est enfui dans le Coran, la, masse atomique du neutron. Et donc, tout cela, quand on nous dit que la science n'est pas dans le Coran, moi j'ai envie de leur dire euh, que, à quelque part, c'est eux qui ne sont pas dans le Coran, en fait. Mais la science est dans le Coran. Parce que quand on regarde aussi, même euh, le langage des abeilles dans la sourate Nahli est ça, on, a, ça on, peut, on pourrait avoir quelque chose qui nous permet de sortir tous les miracles coraniques que la science a validés. C'est quelque chose c'est la portée de tout le monde. Mais quand on regarde par exemple, euh, quand on regarde par exemple le, comment le prophète a compris en étant sur terre que le soleil fait un tour de la galaxie pour avoir euh, un gîte pour lequel il a été assigné, il n'avait pas de télescope. On a découvert ça que dans le, dans le 20e siècle. Hmm. Et tout cela, je me dis, c'est des, données, des données coraniques qui le prouvent. Et la science est venue valider toute cette connaissance. La science est venue valider toute cette connaissance. Moi, quand je regarde, par exemple, euh, même quand vous prenez, par exemple, euh, la sourate, euh, les cinq premiers versets du Coran, la sourate euh, si vous prenez le Coran de la gauche vers la droite, elle est à la 19e position. Elle compte 19 versets. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Non, je pense que Dieu a donné à Mohamed, je, Mohamed sallam, une connaissance sur un temps qu'il faudrait un homme mille ans pour comprendre tout ce qu'il lui a donné sur un temps donné. Parce que ce n'est pas, pas possible. Hein? Parce qu'on a beaucoup de choses dans ce Coran, énormément de révélations. Mhm. Euh, quand on prend la sourate euh, mhm. quand on sourate Al-Kawsara, mm la plus euh, courte. du Coran, mhm. quand même, <laughs> il y a matière à réflexion Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, le problème est que souvent, beaucoup sont dans la littérature. C'est bien de faire de la littérature. Mais euh, il y, a des, des, comme je dis, par exemple, pour revenir sur, le, sur la rupture qui se passe actuellement par rapport à même euh, le, même, euh, le nouveau gouvernement qui, est là sur place, de par ce que John dit, on peut le retrouver effectivement en termes de descriptif d'un avenir dans le Coran. Et ce qui le donne, c'est quoi C'est effectivement une intelligence humaine de comprendre que les gens souffrent, de comprendre que les gens se sont libérés d'un euh, d'un dictat qui ne disait pas son nom. Et qu'aujourd'hui, quand il ouvre toutes les portes par rapport aux Sénégalais, de pouvoir euh, apporter leur père à l'édifice. Mais je me dis, c'est une sagesse que en tout cas les anciens n'avaient pas. Et donc, quand euh, on veut, on peut trouver. Mais dire que la science n'est pas dans le Coran, celui qui le dit, je pense que... Bah, hein, hmm. Celui qui le dit, je pense qu'il devrait plus s'enquérir du Coran et comprendre beaucoup de beaucoup d'autres données. En hein? une minute, hein? euh, puisqu'on est à hein? la fin, euh, euh, à la disposition quand même du, du Sénégal pour servir ce pays-là. Ah oui, le, président Bassir Diomaye veut nationaliser les rapports entre l'État et les foyers religieux. Mhm. Moussa Kaba est disposé à... Ah non, si je peux apporter quelque chose, oui, tout à fait. Parce que c'est notre pays. Comme je dis, en fait, à un moment donné, il faut que chacun se donne. Et même, je vais aller même plus loin que dans la, reconstruction de ce pays, moi je me dis par exemple, dans le but d'apporter une aide à soi, que chaque Sénégalais mette la, main à la poche. Parce que nous parlons par exemple des caisses d'État qui sont vides. Mhm. Nous parlons effectivement des promesses tenues par le nouveau gouvernement. Qu'on n'attende pas simplement des promesses, qu'on mette notre pierre à l'édifice pour que ce Sénégal soit meilleur pour tout le monde et qu'on soit vu autrement, surtout par rapport à l'Occident dont on veut se débarrasser, qu'on arrête la continuité de la condescendance à l'égard des Africains. Mm. On a des capacités, on y croit, on a envie et on sait qu'on peut s'en sortir. Il n'y a que cette combativité et la foi en soi et en, son, sa, patrie qui fera qu'on sera des Sénégalais euh, d'une autre envergure. Moussa Kabo, je vous remercie. Euh, mesdames et messieurs, ça fait un plaisir de vous servir. Demain jeudi, vous pourrez euh, mhm. Mhm. donc euh, revisualiser cette émission qui vous sera donc proposée à nouveau demain à 16h, puisqu'on reçoit pas mal de demandes. Mhm. donc au niveau du, du WhatsApp, parce qu'on nous dit, voilà, on ne savait pas, vous ne l'aviez pas <laughs> annoncé. Mais bon, demain, vous l'aurez à partir de 16h sur cette antenne. Ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera Inch'Allah, lundi prochain à 16h pour un autre numéro de act Show. Moussa, il rentre, mais il reviendra. C'est pourquoi, entre nous, c'est toujours des points, des <laughs> pointillés, trois points. Euh, donc, euh, on revient sur pas mal de choses euh, parce qu'on vous prépare quand même avec une véritable table ronde sur le Coran tel qu'il n'a jamais été explicité donc à ce peuple du Sénégal. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous.